Il est l'heure. On tourne la page pour 2024. 2024. Bonne année à toutes et à tous. Allah fitna rodna watay. Ukayesi. Barkaji modon e, e wonta golitane. Jama'a barkamu da sabuwar shekara. Toute l'équipe vous souhaite une très belle année 2024. Nous sommes mercredi 31 janvier 2024, chers auditeurs et auditrices, bonjour et bienvenue dans votre émission Le Niger sur Kalango. À la présentation, je suis Rekia Arimi et à mes côtés Habiba Ahmed. Bonjour Habiba, comment tu vas Je vais bien Rekia, et de ton côté Ça va bien, Alhamdulillah. Super. Chers auditeurs, l'édition d'aujourd'hui est assurée par Adama Dawaki et à l'édition, nous avons Issa Lawali. Au programme, nous commençons par le flash d'information. Ensuite, euh, vous suivrez l'entretien avec Dr. J. Jebo Oumarou, directeur régional du centre hospitalier du Maradi. Nous verrons la suite du plateau technique de la structure de santé. Dans cette émission, vous savez bien qu'on aime faire bouger nos auditeurs et ça sera avec de la bonne musique 100% nigérienne. Dans la partie éco des régions, nous irons dans les villages de Kotare, commune urbaine de Mayaï, située dans la région de Maradi. Nous allons rencontrer des groupements féminins à intérêt économique. Il y aura également l'œil chronique et sport et puis les lotis préparés par l'équipe femme du studio Kalangu, sans oublier la culture linguistique. Et nous terminerons avec les messages des auditeurs. Top, c'est parti. Et maintenant, les flèches présentées par Rafika Attaher. Bonjour Rafika. Bonjour, bonjour, les filles. Quelles sont les nouvelles ce matin Alors pour ce matin, nous avons le prix du Hajj 2024 qui est fixé à un peu plus de 3 250 000 francs CFA, précisément 3 250 822 francs CFA, un coût revu à la baisse. L'annonce a été faite hier par le ministre du Commerce Seydou Asman à l'issue d'une rencontre avec le Haut Commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umra Koho des agences de voyage et Association des consommateurs. Notons que le ministre a également signé un arrêté plafond qui fixe ce prix. 22 civils, dont quelques miliciens d'autodéfense, ont été assassinés dimanche dernier dans le village de Motogata, commune de Tondikiwindi, dans la région de Tilaberi. Selon des sources locales, les assaillants, à bord d'une vingtaine de motos, ont fait irruption dans le village aux environs de 16 heures. Ils ont ouvert le feu sur les villageois, faisant des morts sur place. Et enfin, pour euh, ce matin, la décision de quitter la CDAO a été mûrement réfléchie et précédée d'une analyse approfondie du fonctionnement de l'institution et des conséquences éventuelles de la sortie, a affirmé le premier ministre burkinabé Maître Apollinaire qui est l'aime de Tambela. Cela fait suite à la décision commune prise le 28 janvier 2024 par le Burkina Faso, le Mali et le Niger de quitter la communauté sans délai. En dépit des conséquences sur ces États et et leurs économies, nous sommes convaincus qu'au sein de l'AES, nous pouvons créer un espace économique viable, selon le ministre burkinabé. Voilà pour le flash de ce matin. Merci Rafika. Et comme l'a annoncé Habiba dans la rubrique Entretien du jour, le directeur régional du centre hospitalier de Maradi, Dr Jibo Oumarou, va nous éclairer sur la situation du plateau technique de l'hôpital. Il faut comprendre par plateau technique l'ensemble de liens et d'équipements qui permettent de réaliser les actes curatifs ou diagnostiques. Mais avant, je vous propose l'orchestre Tassigi de l'ADER.

shige this animal. Ibrahim Tassigi, de son vrai nom Hashimou Garba, est originaire de Pernimponi, Il cantonne au rythme de l'orchestre Tassigi, dont lui-même est le fondateur. Nos chaleureuses salutations à Atim et à toute la population de la région de Tawa qui écoute en ce moment les Niger, c'est Kalambi.

bum isa ruma. Ai lalle maza da matan gaba da zane gaishe ku gaba da zane gaishe ku ta sigi ta kuce. Allah ma ko albarka Allah mu na albarka Allah kyauta karshen mu mu da ku gaba daya. Gata shige zaruma. Wai biki yana a gaishe ka. sele juju zangai da na Allah zangai da ku. Gata sake zaruma. Da sele mara a gaishe ina ya gaishe ku ashura a gaishe ku ni ba ne manta da ku Allah ka ji gaskiya mutanen gaskiya amin su ma ta sigi dilada C'était là l'orchestre Tassigi de l'ADER, le directeur régional de l'hôpital de Maradi. Selon lui, le plateau technique du centre hospitalier pour la prise en charge s'est amélioré, mais il y a une insuffisance de personnel. Cependant, ce service de référence pour les centres de santé périphériques a besoin de plus de personnel. Docteur Jibo Oumourou, interrogé par Mohamed Maman. Les de Maradi, je peux dire que se porte euh, mieux nous sommes en train de faire euh, nos travaux. Notre mission principale est la consultation, la prise en charge des malades. nous sommes en train de le faire avec les ressources humaines dont nous disposons et les ressources euh, matérielles et techniques dont nous disposons. Et nous pensons que dans l'ensemble, on pouvons dire que ça va. il y a quelques petites euh, insuffisances qu'il faut corriger, notamment l'insuffisance en ressources humaines n'est pas spécifique au CHR de maladie, c'est un problème d'ensemble qui concerne tout le pays, j'allais dire. Mais nous arrivons à faire fonctionner les services, surtout avec euh, les interventions euh, ponctuelles des plus hautes autorités de la région. J'ai parlé du gouverneur qui, suite à une de ses visites au niveau du service de pédiatrie, a instamment donné des instructions qui ont permis de nous renforcer en ressources humaines qui sont effectives jusqu'à 7 agents sont venus sur les 10 et qui sont vraiment au niveau du service de pédiatrie où c'est un service qui connaît un afflux important de malades, surtout pendant la période de du paludisme où nous arrivons à recevoir une centaine de malades par jour avec 4 à 5 malades par lit avec très peu d'agents de l'État et même des bénévoles. Mais cette intervention du gouverneur a vraiment permis de résoudre ce problème-là. Dans les autres services il y a toujours les besoins, mais nous arrivons à nous débrouiller pour les faire fonctionner, que ce soit au niveau des services techniques que le laboratoire, où il y a une insuffisance de laboratoire, mais nous arrivons quand même à faire fonctionner. Et récemment, nous avons reçu l'arrivée d'une euh, volonté, ce qui va considérablement appuyer le service. Le service de radio, c'est un service qui fonctionne, mais notre grosse épine, c'est que notre radio numérique n'est pas à 100% fonctionnel, malgré que nous avons accusé réception de l'imprimante numérique qui va nous permettre de rendre fonctionnel cet appareil numérique de radio et soulager les malades, y compris les prestataires, qui auront des images beaucoup plus nettes qui leur permettront de prendre des décisions beaucoup plus euh, précises pour prendre en charge les malades. Docteur, du point de vue plateau technique, comment euh, il se présente Le plateau technique, il est acceptable pour un niveau de CHR. Le bloc opératoire, nous avons jusqu'à deux blocs qui travaillent à temps plein que ce soit pour les urgences ou le programme, où un certain nombre de matériel a été quand même acheté sur fonds propres, donc le cialytique, des boîtes, des champs, et la mise en fonction des appareils qui étaient en panne pendant 5, 6 voire 7 ans, avec les autoclaves, nous avons mis en marche et ça permet d'améliorer la qualité de la prise en charge au niveau du laboratoire. Nous avons acheté des cialétiques mobiles qui permet, même en cas de coupure, le temps que le, groupe démarre, c'est des cialétiques qui ont des, une autonomie avec des batteries qui leur permet de continuer à prendre en charge les malades au niveau du laboratoire des dotations de certains appareils d'hématologie par le ministère. Il y a aussi des partenaires qui nous appuient, tels que MSF, UNICEF, euh, la DRSP, la communauté, la collectivité aussi, à travers le conseil régional qui a fait un certain nombre d'investissements au niveau du CHR, notamment la réhabilitation du service d'urologie, qui aujourd'hui c'est un service qui n'a rien à voir avec les autres. Avant, c'était un service vraiment où c'était pas facile à gérer. Il y a aussi euh, au niveau de services techniques tels que la dermato, l'ophtalmo, tous ces services, le cabinet dentaire, l'ORL, tous ces services sont fonctionnels, même s'ils n'ont pas, surtout pour l'ORL et le cabinet dentaire, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Il y a un seul chirurgien dentiste pour toute la région pratiquement. Heureusement qu'au niveau de l'hôpital de référence, il y a un dentiste qui peut compléter. Donc nous pouvons dire dans l'ensemble que ça va, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de choses à améliorer. Chers auditeurs, avant de poursuivre avec le directeur de l'hôpital de Maradi, je vous propose d'écouter cette fois-ci le guitariste Bibi avec le titre Agadez Sokni. Habiba, qu'est-ce que cela veut dire en, traduire en français Rekia, ça veut dire l'embellissement d'Agadez. <laughs> Dommage que tu ne parles pas tamashek. 18 décembre proclamation de la République du Niger. La promesse est tenue et Gadasokni. Eqas. Bismillahi Rasofara. Bismillahi Rasofara. Egadasokni Egada Egadasokni Mudnana كلنا كله يكناه قدز كلنا كله يزاه قدز بسم الله غاسو فرا بسم الله غاسو فرا إقدر سكني مدننا إقدر سكني مدننا كلنا كله يكنا إقدز ከለላ ኩሉ ይዛ ይገደዝ اقص Bibi Ahmed a commencé à jouer avec des artistes engagés comme Abdallah Ak ou et Tinarion du Mali. Ses cordes vibrent au rythme de la joie mais surtout de la griserie. Il fit un moment, il gratte même la guitare avec ses dents sur les épaules, avec ses orteils. Tout dépend de l'ambiance que son public lui offre. En quelque sorte, c'est notre Jimmy Andrex, un guitariste américain des années 60. Il a joué de la guitare avec des dents, derrière la tête, allongé par terre en faisant les Ici, l'artiste nous chante Agadez Sokni, qui veut dire l'embellissement d'Agadez. C'était lors de la fête tournante du 18 décembre 2016 qui s'est tenue dans cette ville. Agadez Sokni continue de réjouir la population d'Agadez, mais aussi de visiteurs. Ce sons je les dédié à toutes les régions du Niger en joignant ma voix à celle de Bibi Ahmed. Merci, Monsieur le Président, Son Excellence Al-Haji Mohamedou Issoufou et Son Excellence Monsieur le Premier ministre Birji Rafini. degadasakni mudnana degadasakni mudnana كلنا كل يزهق كلنا يكنا الموكل الموكل بسم الله غاسو فرا Sofara, soofara. Eegada sookni mudnana. Eegada sookni mudnana. Kallana kullu yikina eegadas. Kallana kullu yizaha eegadas. Eegada sookni mudnana. Eegada sookni mudnana. Et voilà, chers auditeurs, après cette valada musicale, nous allons écouter la deuxième partie de l'entretien du jour. Cette fois-ci, Dr Jibo Oumarou revient sur le point à améliorer et les perspectives du centre hospitalier régional de Maradi, n'est-ce pas Habiba Oui, Rekia, il est toujours au micro de Mohamed Maman. La première chose à améliorer, c'est les ressources humaines. Il faut mettre à disposition. C'est vrai, l'État est en train de faire, récemment, il y a eu des affectations. Il y en aura certainement d'autres. Et nous demandons aux partenaires locaux aussi d'appuyer le conseil régional d'appuyer, de continuer à appuyer en recrutant certains agents, aussi les bonnes volontés de la ville. Alors pour 2024, quelles sont les perspectives Les perspectives, euh, en tout cas, nous avons espérer que les choses vont s'améliorer. Les ressources humaines, déjà il y a eu une première vague d'affectation d'agents courant ce mois de janvier, il y a un retour de stage, je pense il y aura encore d'autres, à permettre, une fois que les gens ont été mis à la disposition de la DRC, de penser aux services de référence. Parce que quoi qu'on dise, quand ça ne va pas à la périphérie, les gens vont toujours amener chez nous. Bien que la logique voudrait aussi que la périphérie soit bien fonctionnelle pour moins charger le niveau secondaire. Alors, euh, Maradi est doté d'un hôpital de référence. Est-ce que cette création vous a soulagé ici au CHR ah, Bien sûr, ça nous a soulagé. Ça nous a soulagé parce que le plateau technique est nettement meilleur que celui que nous avons. Nous, nous sommes soulagés en tant que prestataires, mais c'est beaucoup plus un soulagement pour la communauté aussi, avec la réduction du coût de la prise en charge à travers les référencements, c'est-à-dire les évacuations. Aujourd'hui, euh, un malade qu'on devait évacuer pour une simple chose à, Zender, euh, on l'amène au plateau de référence, ça réduire moins cher et sur le plan économique même, les personnes qui sont avec elles, c'est-à-dire les accompagnants peuvent se relayer, d'autres vont partir avec à leur occupation, ce qui va permettre euh, d'améliorer la qualité de vie même de la communauté. L'hôpital de référence, c'est une très très bonne chose, surtout que c'est un hôpital qui n'a rien à envier aux autres. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font dans cet hôpital-là. Et récemment, vous êtes témoin avec le lancement des activités d'endoscopie. Il y a une intervention qui se fait, non plus à ciel ouvert Hein, où le malade lui-même a moins de traumatisme. Et le lendemain, pour beaucoup de cas, il peut même vaquer à ses occupations. Ouais, donc euh, vraiment, c'est un offre de soulagement et c'est un joyau que la région de Maradi doit conserver. doit tout faire pour conserver et la rendre beaucoup plus fonctionnelle et accessible. L'accessibilité géographique, oui, elle est dans la ville. L'accessibilité financière, certainement qu'à un certain moment, les gens vont s'arrêter pour regarder même les coûts, pour permettre le maximum de citoyens de pouvoir aller se faire soigner de cet hôpital-là, qui, je le dis encore une fois, n'a rien à envier aux autres hôpitaux nationaux. Chers auditeurs, le Niger sur Kalangou se poursuit. C'est le moment de la rubrique hebdomadaire. Et la rubrique hebdomadaire de ce mercredi 31 janvier 2024 nous parle de la forêt classée des Bangui, dans le département de Madawa. Créé en 1954 par le colonisateur euh, sur une superficie de plus de 3000 hectares, la forêt classée de Bangui rencontre des difficultés qui pourraient conduire à sa disparition, selon les spécialistes. Les autorités locales s'investissent pour sauver cette ressource naturelle. Le détail dans ce reportage de Asumana Boubacar rendu par Assoumana Chena. La situation actuelle de dégradation de cette forêt classée est due au comportement des habitants des 14 villages se trouvant dans cette réserve. En effet, ils mènent leurs activités agricoles au mépris des textes qui protègent la forêt. Le Bilal Dangwani, le directeur départemental de l'environnement de Bangui, explique. Les textes ont prévu que les communautés qui sont tout autour de la forêt peuvent avoir accès au contrat de culture à l'intérieur de la forêt, mais en respectant aussi des clauses bien définies. Les populations ici de ces 14 villages ont bénéficié donc euh, de contrats de culture à l'intérieur de la forêt. Dans les clauses du contrat, d'abord, l'exploitant il a pour obligation d'abord d'entretenir les arbres qui se trouvent dans sa parcelle. Il n'a pas le droit de couper des arbres qui se trouvent à l'intérieur de sa parcelle. Mais il doit les protéger, que ce soit des, des plants plantés ou des grands arbres qui se trouvent à l'intérieur de sa parcelle. Cette mauvaise exploitation de la forêt a occasionné la disparition de nombreuses espèces végétales et animales. Retrouvons le lieutenant Bilal Dangwani. Il y a une pression animale, Bangui à la frontière du Nigeria. Et nous avons aussi des transhumants nigériens, par exemple du département d'Abalak, de Dakoro, de Tanout. Chaque fin de saison, en octobre, ils descendent carrément au niveau de la forêt. Les autres animaux sauvages vraiment n'existe plus depuis que leur habitat est détruit. Face à la dégradation avancée de cette ressource naturelle, les autorités locales œuvrent pour la restaurer et la sauvegarder au bonheur des populations. On a fait beaucoup de réunions avec euh, l'ensemble des chefs traditionnels, et ici la préfecture, les agents des services euh, de l'environnement. On, discuté vraiment euh, de cette forêt classée quand même la forêt rencontre des difficultés, comme les couloirs de passage, on constate que la forêt rencontre des difficultés qui, si on ne prend pas des précautions, ça va disparaître un jour. Euh, on lance euh, l'écrit vraiment aux services compétents de nous aider à au moins sauver ce qui peut être sauvé pour qu'on n'assiste pas vraiment à la disparition totale de cette forêt classée. Pourquoi j'ai dit sauver le reste, euh, je ne sais pas si euh, les villages là qui sont là installés avec des écoles, avec des CSI, si c'est possible de les, de, de, les ou pour dire que c'est la forêt classée. La question de sauvegarder cette forêt classée de Bangui pose donc un problème complexe. Faut-il déguerpir les 14 villages et les infrastructures sanitaires et scolaires qui s'y trouvent C'était là la rubrique hebdo. Chers auditeurs, soufflant encore en musique avec les titres Balki de Hamsou Garba, une chanson de Maman Garba interprétée par la cantatrice. Oui, Habiba, nous faisons un coucou à la population de Niamey. C'est parti. Now, Sugarba, la cantatrice légendaire, est reconnue au Niger et dans le monde entier par ses compositions uniques. Elle chantait le mariage à précoce, l'amour de la nation, la politique et les hommes qui ont marqué l'histoire du Niger. murmushe balakina da kyawo balakina da huska balakina da huska balakina da hanci balakina da hanci balakina da lebo balakina da lebo balakina da kunci balakina da kunci pause musicale, chers auditeurs, place à l'écho des régions de ce mercredi. Il nous parle des groupements féminins. Oui, Habiba, en effet, dans le village et dans les campagnes, les femmes s'organisent pour être dans des groupements à intérêt économique. C'est le cas des femmes du village de Kotare dans la commune urbaine de Mayaï. Voici le reportage de Chapa Oumaru, supervisé par Issoufou Cheibou à Mayaï. A yanzu mata da dama suna cikin gungu-gungu inda suke sana'o'i don kore ma bakin su kuda. Misali mai ƙayatarwa shine na matan kotare gari wanda ke tsawon kilomita bakwai gusun maso yamma daga birnin Mai. Rahila Wakili tana ɗaya daga cikin mata waɗanda ke yin sana'o'i don kore ma bakin su kuda. To mu dai ayyukan da muke bakin gwalgwado sana'u kankana ana yin kosai, tsala, wanke, tuwo da miya, mai da sana'u haka na kayan jiki na mata da na yara nan sana'u akwai riba gare su sosai bisa kan sana'an nan ta toye-toye ma yaran sun yi kari kuma ka yi biki ka yi kyauta ka yi alheri cikin sana'a. Sana'ar mace tana taimakawa sosai ga gida domin duka wasu ƙananan bukatu da ma manyan bukatu tana biya. Malam Sa'ada Fada guran aure na garin kowa da uban iyali ne ya ga amfanin sana'o'in ɗiya mata ga gida. Saboda mene muhimmancin sana'ar mata a gida akan abubuwan da suke aikata su ma cikin gida saboda mene ko kallo kuɗin ruwa kan kuɗin gishiri kuɗin daudawa ana zaune cikin gida kan wasu matsaloli cikin gida kai ba nan. In tana da sana'ar da za ta juya lalle lalle kai kanka kan zo an gyaggyara maka wasu abubuwa. Gwamnati da ma ƙungiyoyi masu zaman kansu na ta ƙoƙari don bunƙasa rayuwar ɗaya mata. Wannan kau don ya kasance mata suna korin bakin su kwada da kuma iya zama da kai. Malama Aishatu ita ce shugaban ma'aikatar bunƙasa rayuwar ɗaya mata da kare haƙƙin yara ta mai. yi. Duk abin da ya shahi abin da zai ƙara mata gaba zai kyautata ayyukansu muna tare da ku. dan shi yasa a kowane lokaci muna hiddo wani dan petit muna ba su jari dan su ta yi sana'a cikin sana'a na yan an ka gamu gurfama muna faɗa muku aikin gurfama fa tare ake yi shi a tashi tare a miƙe tare kuma aikin gurfama bai yayuwa sai da asusu yawancin ran gurfama yawancin ran asusu asusu nan da kuke yi kuna tarawa kuna tara har ku yi wata uwa bancin uwar da ku da kanku kuka tara kuka yi ribar da kuke samu da kuke tara ita ma za ta ita zama uwa daga riba riba ta zama uwa cikin uwa kuma a hidda riba haka ana tahiya ana tahiya ba a ce ba a samun tangarda ko akan tahiya amma sai an yi hankuri. Lalle duk da kokarin da ɗiya mata suke yi suna fuskantar matsaloli na rashin jari don bunƙasa sana'ar tasu in ji rahila wakili muna kira ga masu hannu da shuni da magabatanmu wanda ke da halin su tallafa mu mata muna roƙo gare su dan Allah a tallafa mu matan nan su ci gaba da sana'o'insu saboda akwai kariya cikin gida da yara da mai gida da su duka abin da ya shahi haraka cikin gida suna kamawa sana'a sa'a rishin sana'a rishin sa'a ya kuɗiya mata ku riƙe da kyau Voilà, c'était l'écho du région. Habiba, faisons un coucou à nos auditeurs de Mayaï qui nous écoutent sur la radio Anour 99 MHz. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Et c'est l'heure du sport ah. et nous sommes avec ah, Hassoumi Grouza. Bonjour Grouza. Bonjour euh, Abiba, bonjour. Bonjour, bonjour euh, J'espère que vous avez pris du café. Ah oui. <laughs> Merci. La phase allée de la Super League de football du Niger se poursuit activement dans le stade du pays. Où en sommes-nous aujourd'hui oui, euh, Rekia, au stade municipal de Niamey, les électriciens de la Nigélec ont disposé des rouges blancs de la l'Akorosu sur le score de 2 buts à 1. La Douane a battu le Tagour provincial de Dosso, un but à 0. Match nul entre le Liberté et le Sahel, 0 buts partout. Même score entre Akokana d'Arlit et Espoir de Zender à Arlit. 1-1 entre l'AS Police et la GST de Tawa. Match nul également entre Jean Gorzo de Maradi et l'AS Garde nationale de Niamey, zéro but partout. Grouza, quel est le classement général de cette Super League Oui, Abiba, pour le moment, le classement est provisoire. L'AS Fan prend la première place avec 29 points euh, suivi de l'AS avec 27 points. L'Union de la Gendarmerie nationale occupe la troisième place avec 24 points. L'AS Douane quatrième avec 23 points. L'AS Garde nationale 22 points. Cinquième AS Tagour de Dosso 14 points. Neuvième de la Super League AS Police et Jean Gorzo de Maradi occupent euh, la dixième euh, place où ils gagnent gagne 7 points chaque équipe. Poursuite également de la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, hier après-midi, un beau derby à Korogo entre deux pays liés intimement, le Mali et le Burkina Faso. Le Mali a eu le dessus sur le Burkina Faso sur le score de 2 buts à 1 en faveur des aigles du Mali. Ils ont, en tout cas, les aigles ont eu leur euh, billet pour les quarts de finale et ça serait contre le pays hôte, la Côte d'Ivoire. Rendez-vous donc le samedi 3 février au stade de Boaki. Merci, Merci pour toutes ces informations. <laughs> Rekia, c'est l'heure de découvrir notre star du jour. Oui, Habiba, il s'appelle Moussa Sadou Soumana, âgé de 35 ans. Il a commencé le métier des ferrailles en 2005. Après trois ans de formation, Moussa a ouvert son propre atelier. Aujourd'hui, il a neuf apprentis. Portrait signé Omar Hamma. agoga kai go kambara zanka hinka kan yongoga dondo abande na dangame no kigo sisir hau haro banda rompon habora kanti arondi simagwa nyamai gallu don kara musa wade sibakala kala ama banandi goye kam mansongo nano kanti guru hau yon gadu ginga kinarobam anir famandi matkan ana guru hau yongo wo sintinda debor kambande ana dondon sintin no za 2005 ayni sintin zama watirin torko ni ricen ni kai kai ni rite soy di kai kai sigite ay fur feda ar tarara moso moso moso go bore bande kal soy wane kam bugoyo kala mo soy gonne zan kay rugo go charbande yade bora kam ay do isna se kala abdullahi feda yar gabor do tuji fona bande don go soy wane te kam feda ay mo gonne zan kay ndego go charbanda ite abdullahi bani jiri hinza ngane wani goye fata bande a to danga ikan bai etage hinza kan kai bai be ko kinai hinne za fondo a shi on ke sintin kina kadai kadai kadai etage on ban goor banda har te afo goor cire harir te afo zaram gander te taji fo farang funi har mur te taji fo kaire no tijin funa ino gisintin za guso ra ganna kalam ko be alhamdulillah nir gruppo formé eri to bayir bor nef gruppo ra kan ay zanke no ndeno go charbanda go to nir ko charbanda ya niya de no zanke murade mte murado mte irgo charbanda ya zanke yagga no gaise son goy kul karra bor ga te bor sijan sende yara musa sadu wodai adore kambo kun sende kan go senga kate mate kam man songe kanti fuchi na kai gane amagoye da inga se kan tigure hau hauyongo. to lalle sanda kan gon da giti son din man sonin ke nim ka goyin se ni ga hawa se pake fo zambar fofo to son da ran doni ke da to nan ka ni nim hawu se zongo akwa bo dan nim hawu se al zongi diddo karan bangu doni chare man so fo yammo nge no ga hawun nge bon se guro han fo ning te ba handu fo numan ko kwara ran go de goro boy sino han fo yemo go yegi dag dag charga man so ne min so ne min ne ma hawboro se shenaz ganna kuna subon ko hawboro se shenaz bena sub sim ko hawboro se poto yang han fo ngo yegi bay karum karum charbo man so fo yemo fal de ni ba ina nim habu ngese fal fala din din sudu riba nim nen sikoy sanda kan go ndeno to ne ko jinda nya kan ngese dir ko te goyo go te gbori ay mezan ke forme am bori ngwani goyo kangana diddu e taji go irko wa wo diddu gomnati go yacine irko guuri haw ko koygo shato mahara isiyaka mamudi dai amanti kala fatauci zano kanga jinai dai ganere danga na yondo hare kambo borowo dai fahamandi kan furate jowo goyowo inga ganane yaga gomo wallahi ay baygi goyde musa ay boro boroyan kanga goyayi iga kaydo imine ferayer no ngayga ba ay mu musa no ise amma hawi se mat kanga gi himada hay kulkan dimo boro kan den dedan do dimo dir ko ba musu gan hawni se aga buri mo ne su ko ye ka mo ne wallahi musu go mante kadai din go jina gaze zamir wori ge nerno amma musu fera herna aga hau aga nanga barbarita kan agan kai kayata aga kwanda borsemo e man bai di musta ile goyo din do ba bake falla de goyo wo dai musa sadu ahiji agonda ize hinka halaka kasomo adu ginga kambe wi Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalango. Le Niger sur Kalango est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalango. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Rekia, dégustons ensemble le titre Boré des Orco 5. C'est parti.

mace zaina go sen kini gaba aye ko min sen aye kai sai kulo ido zan kai yurko sai gani gaba Il est 11h passé de 46 minutes et ici l'heure de notre chronique Loti du Desk Femme du studio Kalangu qui traite aujourd'hui du contrôle parental. Effectivement, ils sont nombreux les parents qui achètent des appareils numériques pour leurs enfants et l'accès à certains contenus sur les réseaux sociaux n'est pas sans conséquence sur leur vie, suivant Rekia Arimi et Zainabou Abdou. Eh, Lotti. Lotti. Lotti. Así vamos, Rayyan. Guarda me. Wallahi farga. zan kai a ahimano imne ifunu lakwal zagayen me Kwa guna gingite igo fora to na ngai mu koi heyi ifanoni suba yakinuwo subhanallahi wiye se ordinatar wadini. wasi maino ni ni nimu kwai fur hayeyi wora guna. nan gadi din baba ka kulni gaki. Hmm. Bisai sai fatta. he ifo non go katiwo, gog man sai nan go kulu. Hmm. Hayano gabun da airuma, nig bai hankan ai moi zaidi. Marwan no goga hayya moyen guna inga ordinateur bon. Hey, zanga mata ordinateur bo Akin sai no aran dai ordinateur, ifo magasi. Hmm. wai choreno gwanda ordinatar yan kan aka ga heni tunan di in gano akwai gida ya se gamo ingamo hon kai haya na ban wa kul haukero man gano irgaza a wani birma ga hey. lakkalai kanandi bai haye wokul manti biri ma kan aran garan izai no sanninu ara himano glakkali ye iwon chorai ga chor food ma ye no gisi ba gane lokkolai ra wala kuraira o me ai bumbu ai du sandawo duma inda izo safi aha amma ni mun bai ga sanno taise ya dinno. amma lakka lokanan di dabari gono irkoi sikiro ki aise mata na te to ni bai ni zan kai hallasa di lakkal kana ga ba hagwayya sanga ikwai da kayan ai da ikyorai, kan iga fattan dai kwai ni mu misidirin ya hanki gite internet tai bon amma mantin din ni kankam he Allah matano aiki gite kiro nigi be kan tine kan go haire bon haraka wara aga sandi gumu. zam lokaci kulu zan kai ga ta haifo muradu ya dinga ka na naran can tai hau o wani kulu ga ku sai dai matkan no aiki gite matkan ni te ga masala wo bonza nin da ni izo to ni bai fonda na kan ga hima aran magana kangana aran mahagwai da aran izai da iwan internet rafur yanwu wal sirai inga gati madan zamani fonda kangana nim kinga hagwai di iwan ordinatore da morai agoyo ga borimu aganan ma haikul kan manhima internet to bon bloke agate mo kyoro gumo diman koddo bai ban hawai ban masisiri kamfano ke igin fahamandi hayaya ga gai halbor gaduwa a a girbiyan hinne da nifu koyoka musannote ase ga aran masan sambu halaga ka ai ga koi ga ordinata raidin kulta ga ngan dinga kaino wana mu ai sabu choro son no alaika laika ni kai nufu hey an kan irgi ngi te kyar seno choro gun mat kan ni ne lakalai tunandi dole no me ai me lakalai tunandi choro da iza sara nin kantin yan woni gine bo uji <laughs> wala wallahi C'était là le loti offert par le desk femme du studio Kalangu. retrouvant à présent Salamat Kadri pour nous expliquer en le mot tourisme et sur la culture linguistique. Bonjour Salamatou. Bonjour les filles. Salamatou. <laughs> Chers auditeurs et auditrices, bonjour et bienvenue dans la culture linguistique de votre émission. La saison touristique a débuté le 14 janvier 2024 et peut se poursuivre jusqu'au mois de mars. Donc nous vous proposons le mot tourisme. Le tourisme, c'est le déplacement des personnes de leur lieu de résidence habituel dans le but de découvrir, de profiter et ensuite retourner chez eux. Prenons un exemple, où est le centre d'information touristique. Le nouvel aéroport facilitera le développement du tourisme dans la zone. Un dernier exemple, la ville réalise enfin son potentiel touristique. Maintenant, en langue germain, mhm. dir sambu, <laughs> dir sambu tourisme karang migene Ngono kati mo kayan. Mhm. Kamborgu tunengo kwara, am koyga gune hay ga begen di non am yega ka fu koyne. Mhm. Dir sambu silman tourisme bere furmano borgin gudwara da fahamai beni zumbuyan nangai di ina non goci na aburi kan beni ya ga zumbi ga ka a gihinga nan turismo wo amzada ai misan baran sai silman kai bananta gallubun bodi ga ba amzadu bori kadeda mu fagiyan non gai kan turismo kadeda Zada. Chers auditeurs et auditrices, c'est tout pour aujourd'hui. Le rendez-vous est pris pour euh, demain pour un autre mot du jour. Bye bye les filles. Merci, Merci Chers auditrices et auditeurs, si vous avez d'autres mots expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en haussa, en zarma, en tamashek ou en fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Et il est temps pour nous d'écouter le message des auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. ina gaida ku da ini ina gaida ku da kwana mai magana da ku mala aliya gurmu a nan dogon yankuri maganin zaman duniya ina muku barka da cikar wannan shekara takwas ina muku fata alheri wallahi ko lokaci muna fiye da kwa su duk da shirin da kuka sa muna na muhawara nan eh, da kuka sa ko lokaci na ana muhawara ana waye mutane kai wanda abinda wani bai sani ba shi wani san shiri wannan na muhawara lokaci zuwa lokaci ina saurare shi ina gaida ku ina gaida aliyobawa ina gaida abin wanzam ina gaida mai martaba abubakar mala ali ina gaida aliyo malija sunana usman bubakar buza wanda aka sani da chabros shabde garage. lalle muna saura. sauraron radio studio kalangu sosai muna bin shi saboda kafa saboda labarun nashi suna kayatar da mu saboda labarin ne suna da ma'aikata ƙwararru wanda sai sun tantance da labari sannan suka yada shi e, kuma mun karu da su bisa kan biya a sa yaran makaranta da kuma mata masu juna biyu su tafi asibiti a dubi lafiyar su da abin da suke ɗauke kuma lalle muna jin daɗin shirye-shiryen da suke yi na godabin matasa da kuma waye ma al'umma kanu kama su sensibilisation na magani in wata alloba ta zo suna waye ma al'umma kanu da duka kowane halshe kake ji a cikin Nijar suna yi da yare na gida muna jin daɗin haka nan sosai. Sunana Abdullahi Medali na kacin wurin je Ardel. Stokilan gwamna ɗan sauran shirye-shiryen su. Ra'ayi shine shirye-shiryen nasu muna fatan su ala jirgin su tuna sauran shirye-shirye musamman matasa musamman taimakawa mata to mu ra'ayin surutu sama matasa ya muke su a ɗan ƙara jaddada shirye-shiryen su tun matasa mai uh, allakul da mun gandi yanzu matasa mai allakul masu ranar gallaca sun shiga wani harkoki wanda bai kamata ba kenan ta hanyar radio muke son a samu shirye-shiryen da za a yi a sensibilizin su su tu matasa yalla kulma mun shiga shaye-shaye kenan shi ma a tarawar radio su cikin kulangu muna son a samu wani shirye wani za a yi wanda matasa za su gane da kamata ba muna gaida duka ma'aikatan wani jihar del da sauran ma'aikatan mu da ke nan ayarka da sauran yan fara nan tare da mu. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. mini dadin duniya dadin duniya wata rana karewa ya kai wani mamaki ni kai ragobe bisa mota ya yi ku bara mamaki wata rana sabu kowa ya kai laudi sai dan ya kaba busassa kallewa ta kai ke yarinya bari wasa labasuwa in ba suwa kike wata rana komin ya zake ina ne zanina filin gagari can zanina filin gagari mai martaba filin gagarin mai laya in sha madara in sha zuma in sha yu dadin duniya kun dadin duniya wata rana karewa kai. ku nake kira ya ya gano ina yake abdul ce cira isa ganda ina yake musa wankwai ce cira na gora musa ina yake yahuza ali nake kira baban su da si yana zuwa sai ko ni ce cira san sisi yana zuwa na ce ka zamana lafiya musa durfayi ne ce cira ai mu yana zuwa Pompidou na cecira, Beto ina yake, daɗin duniya wata rana karewa yake, Hafsim na cecira, na hannatu ina yake, Ila baba ya cecira, za ka yi abdu cecira, na ce ka zama lafiya, Metin Rusongo cecira, Sharashen yana zuwa, Sharashen marta ina yake. ma sai nake kira na ce ka zamna lafiya daɗin duniya wata rana karewa ya kai kumandan ce jira kumandan musa yana zuwa musa ka zamna lafiya allah a adare nake kira na rana ka zamna lafiya ina ne zaniya dan jumbo nake kira tonton mamman yana zuwa mamman ka zauna lafiya habibu turai ce cira amadu bukari ina yake Habiba, c'est avec ce titre Sénagé du groupe Kennedy Star qui prend fin cette émission de ce mercredi 31 janvier 2024. Vous étiez accompagné de moi-même Rakia Arimi et Habiba Ahmed. Rendez-vous demain avec un autre duo. L'édition a été assurée par Adama Dawaki et à l'édition c'était Issa Laouli. Très bon après-midi et bon appétit si, vous, êtes À table. Il est temps, il est l'heure. On tourne la page pour 2024. Bonne année à toutes et à tous. Allah fitna rodna watay. Kukayesi. Barkaji modon e wonta golitane. Jama'a barkamu da shekara. Toute l'équipe vous souhaite une très belle année 2024.